soit un taux de positivité de 12,5%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 111 cas contacts suivis par nos services. 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Liberté 6, 2 cas, Grayoff, 1 cas, Kermbeifal, 1 cas, Zakmbao, 1 cas, Kermassar, 1 cas, Pékin, 1 cas, et Touba, 4 cas. 81 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 16 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation trois nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mardi 16 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 5369 cas ont été déclarés positifs, dont 3606 guéris, 73 décédés et donc 1689 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue d'exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle à l'intérieur de nos communautés monsieur mercredi 17 juin 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jotna le résultat examen virologique yi may waaje lim ci juróom-ñeenti témèr ak juróom-ñaar ñaar fukk test yi ñu def témèr ak ñaar fukk ak ñaar ñoo positif témèr ak fukk ak di ay cas contact fuk ak ben yi ci des di ay cas comme ci Liberté 6 ben ci Grand yof ben ci keur Mbay Fall ben ci zak mbaw ben ci keur malade yi ñu hospitaliser won wër nañu bësu tay fuk ak juroom ben ci suñu malade yi ñu ngi ci gis nañu ñetti malade yu ñàkk ba seen bakkan fii ci suñu service yi. ci 16 juin maa ngi koy fàttali ñu am ñetti malade yu ñàkk seen bakkan ci bésu tey dale ko ci cas bu njëkk bi Sénégal am wàññi nañu juróomi junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk juróom ñeenti cas yu positif. ñetti junni ak juróom benn téeméer ak juróom benn wër nañ ci juróom ñaar fukk ak ñett ñàkk ci seen bakken mu des junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñeent ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu teg bés bu nekk ak digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe